le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Merci de rester à l'écoute des programmes de Studio Kalangou. Il est 18h15 Très ravi de vous retrouver dans le cadre de votre rendez-vous quotidien, le forum de Studio Kalangou, tous les soirs du lundi au vendredi. Et nous débattons de sujets d'actualité. Nous fêtons la sixième journée mondiale de la radio ce lundi 13 février 2017 sous le thème La radio, c'est vous. Que représente la radio dans votre vie? la radio est-elle ou non un instrument de taille pour l'éducation et la liberté d'expression Est-elle facilement accessible Pensez-vous que la radio reste aujourd'hui plus dynamique, plus créative et plus attractive que les autres médias comment rendre meilleurs les programmes des différentes stations que vous écoutez. Vous aurez la possibilité de vous exprimer ce soir au cours de cette émission. Contactez-nous dès maintenant au 80 90 38 78 ou au 89 28 25 86 et parlons-en. Messieurs, dames, bonsoir. je suis accompagnée d'Alassane Kouzi Mamadou pour parler des questions qui concernent la radio dans vos différentes localités. Alassane, bonsoir. Bonsoir, Diallo Mariama. Sont également présents dans ce studio Ali Oumarou, responsable du Centre régional de production et de formation CIRTEF. Bonsoir, monsieur Ali. Bonsoir. Je suis également en compagnie euh, de monsieur Hassan Boukar, directeur de la radio alternative, et de monsieur Zadabawa, promoteur auteur de Dalol FM. Bonsoir, messieurs. Et merci d'être venu. Je vous rappelle le principe de cette antenne libre, la courtoisie. On n'indexe personne, pas d'injure ni d'attaque. Merci pour votre compréhension. Tout de suite, nous partons avec notre premier auditeur. Bonsoir, Alassane. Merci Mariamma. Donc tout de suite, nous revenons ici, nous restons au studio pour euh, commencer avec notre premier intervenant, notre premier invité, à savoir Ali Mourou, qui est responsable du Centre régional de production et de formation du CERTEF. Le CERTEF, c'est le Conseil international des radios et télévisions d'expression française. Alors, Monsieur Ali Mourou, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio, sous le thème, célébrée sous le thème La radio c'est vous. Est-ce que au niveau, à votre niveau, vous avez fêté cette euh, journée Non, pas exactement, parce que de toute façon, vous savez que le SURTEF n'est pas un diffuseur. Le SURTEF est une association qui regroupe les radiodiffusions et télévisions d'expression française, donc des pays francophones, qui ont en tout cas ou en majorité ou en intégralité ou en partiellement un programme en français qu'ils diffusent dans leur programme. Donc nous ne sommes pas des diffuseurs, nous. Nous sommes une association qui euh, a pour mission l'entraide pour euh, la promotion de la culture à travers la radiodiffusion. Alors, cette thématique est retenue pour la journée mondiale de la radio. Ça vous parle La radio, c'est vous. Mais bien entendu, déjà l'édition de 2016, il y a eu beaucoup de correspondances à, euh, et, euh, à travers euh, les mails et tout, enfin les courriels pour célébrer cette journée-là. Et je pense que cette même journée aujourd'hui, cette année, ça a été certainement la même chose aussi. Mais pour fêter en tant que tel, comme les radiodiffuseurs, non, ce n'est pas euh, la même chose que nous faisons. Donc nous, nous faisons seulement euh, accompagner euh, les différentes radiodiffusions qui sont membres donc du CIRTEF pour leur programme qu'ils diffusent. Merci. Nous allons revenir aux autres invités plus tard après avoir pris un de nos auteurs qui est là en ligne. Mariama. Allô Allô, Oui, bonsoir, monsieur. Allô Allô, oui. Vous nous entendez voilà, donc euh, Alassane va communiquer ah. Euh, avec notre producteur parce qu'il parle comme ça. Wa alaikum salam. Wane na? Wane na? Kuna tare da Mamma Idi ne daga Mainisorwa. To, bismillah ni Idi, kana ya kutamta mana yau rana ne da an ka kekiro ma radio. Menene gudunmuwanka da kawo ga shirye-shiryen nan namu? ok to da farko dai na gode sosai da studio kalangu ta shirya wannan shirin haka kuma ta ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu da eh, gaskiya matsayin mu na masu sauraron radio a waje na radio yana da matukar mahimmanci saboda wata dama ce wanda za ta baka daman ka saurari abun da in ba ta hanyar radio ba baka samun daman sauraron shi ba haka kuma muna samun labarai da shirye-shirye wanda duka dalilin radio ne muke samun su haka kuma kafa ce wanda take ba ka daman sauraron shiri ko ko wani labari a sawage tunda in kun duba ba kamar tele ba ko wani abu sai mai hali ina ga kowa yana da halin samun ya saurari radio labarun su ne kawai suke a sauƙaƙe a wajen talaka a fahimta ta a radio kenan to mun gode mun gode maka mamman idi aha to ni ma na gode sosai da kwaskiraye ne Alors, donc, euh, nous étions avec euh, Maman Idi. Maman Idi, donc, euh, parlait de l'importance de la radio. il disait que la radio, donc, permettait d'avoir accès à l'information et aussi un accès très facile. Alors, nous allons avec... nous allons revenir au studio avec nos autres invités. Je me tourne vers vous, Monsieur Hassan Boukar. Vous êtes directeur de la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir la journée mondiale de la radio. Avant, donc. Avant donc la réaction, euh, la, réponse à la question, on aimerait donc euh, connaître votre point de vue sur la réaction de cet auditeur qui a parlé de l'importance et aussi de l'accessibilité de, la radio. D'accord, merci beaucoup. Oui, <clears throat> j'ai écouté cet auditeur qui a appelé de, de euh, alors, ce qu'il dit, c'est que la radio lui permet d'accéder à l'information et donc c'est un outil utile pour lui. Et euh, il compare la radio à la télévision et considère que la radio est beaucoup plus accessible que la télévision. C'est donc quelque chose de très utile pour savoir c'est à peu près ce que j'ai retenu. Vous êtes d'avis euh, Vous partagez cet avis Bien sûr. Je pense que la radio. Alors, vous êtes donc euh, directeur d'une radio. Expliquez-nous pour permettre à nos auditeurs de comprendre comment est-ce que et pourquoi cette radio, la radio le rôle euh, euh, que joue cette radio Merci. <clears throat> Je pense que <clears throat> globalement, les radios jouent un rôle important. Euh, c'est avant tout un rôle de, développement. C'est un outil pour le développement dans nos pays. <clears throat> la radio parle à tout le monde dans sa langue. Je pense que de ce point de vue, ça peut être une différence, par exemple, par rapport à d'autres types de médias. Et je considère que pour un pays comme le Niger aujourd'hui, la radio est un outil particulièrement utile qu'on retrouve un peu partout sur le territoire national. Euh, si je compare la radio aux télévisions, par exemple, les, télé télés sont confinées un peu en milieu urbain. La radio, on la trouve un peu partout, euh, aux côtés des communautés. C'est avant tout des outils qui permettent euh, d'aller loin et d'aider les gens dans leur travail au quotidien. Donc pour moi, la radio, c'est quelque chose de particulièrement utile. Nous allons avec le deuxième auditeur et il s'exprime toujours en langue haoussa. C'est avec Alassane assalamu alaikum wa alaikum salam wane mm, amadou alors donc euh, euh Alassane ah. il s'exprime en français en français c'est Amadou allez-y Amadou dites-nous votre point de vue par rapport à cette journée la radio chez vous quelle est l'importance de la radio pour vous dans votre vie quotidienne en tout cas, moi, je, je pense que la radio, elle Excusez-moi, d'abord, vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous nous appelez D'où est-ce que Vous nous appelez. Non, non, non. Vous m'avez appelé, non vous êtes où actuellement Oui, vous où est-ce que vous êtes, Monsieur Amadou Où est-ce que vous vous trouvez actuellement Actuellement, je suis à Malbaza. Voilà, et donc euh, continuez et répondez à cette question que, de, que vient vous poser Alassane, l'importance de la radio. Je crois que de nos jours, la radio est, elle est extrêmement importante dans la vie quotidienne parce que elle, elle informe les gens, elle cultive les gens à travers la radio. Euh, c'est un moyen, un outil aussi de, de s'épanouir dans la vie quotidienne. Et je crois que comparativement à la télévision, la radio, elle est accessible à, à tout citoyen nigérien qu'ils soient pauvres, qu'ils soient. En tout cas, c'est accessible par rapport aux, télévisions, quoi. c'est pour cela les gens euh, accordent beaucoup d'importance euh, là-dessus, Alors, par rapport au programme de, ces radios, est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'auditeur, avez la possibilité euh, euh d'avoir une participation directe dans, dans ces programmes Une est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'auditeur, avez un rôle à jouer dans la réalisation de ces programmes Une influence Oui, il y a une influence qui est là parce que la radio, elle informe les gens et à travers la radio, vous, pouvez vous cultiver, vous pouvez être à jour. Est-ce que vous avez l'habitude de participer à des émissions en direct euh, à la radio Non, non, je n'ai pas l'habitude de le faire. Alors Mais j'écoute euh, tout le temps la radio. Voilà, donc euh, nous, allons, nous allons donc euh, redonner la parole à Lassane. Merci, au revoir. Donc nous revenons au studio, toujours pour continuer avec euh, nos invités. je me tourne vers vous, monsieur. Je me tourne vers vous, monsieur, monsieur Zada Bawa, autant pour moi, directeur de la radio d'Alol FM. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez euh, suivi avec nous quelques auteurs qui ont participé pour euh, donner un peu une idée de ce qu'est la radio pour eux. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à, à, ces, auditeurs et ce que vos prédécesseurs ont ajouté, ont dit Bon, moi je veux dire d'abord euh, que la radio c'est pratiquement toute ma vie parce que j'ai évolué à l'ORTN dans tous les cadres de la radio et la télévision. J'ai installé personnellement un groupe de radio pour permettre à la population de s'exprimer. Donc euh, pour moi, la radio, c'est un outil indispensable pour le développement. Donc ce que les deux interlocuteurs qui ont été appelés par téléphone ont dit, c'est des auditeurs. Donc ils ont donné le point de vue des auditeurs qui est le meilleur point de vue. Parce que moi, bon, en tant que promoteur de radio, c'est ce genre d'informations que je voudrais avoir. Alors, vous, au niveau de votre radio, comment est-ce que vous prenez en compte les préoccupations, les besoins des auditeurs ah Comme j'ai dit, l'auditeur, c'est le principal acteur d'une radio. Si vous n'avez pas d'auditeur, vous n'avez pas de radio, quelle que soit la capacité de diffusion que vous avez. Donc nous avons énormément euh, d'importantes euh, émissions, notamment des émissions interactives, et nous avons également des courriers qui nous viennent, qui nous permettent de voir un peu ce que la radio fait et ce que la radio représente pour euh, les auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de d'émission qui permet euh, aux auteurs de, euh, de participer à vos programmes bon, les, Par exemple, les émissions interactives ou bien des émissions publiques que nous faisons sur les lieux, dans les villages. Alors, Merci, merci beaucoup. Nous allons donc prendre un auditeur, je pense, qui est là en ligne. Mariama Allô Oui, allô Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. C'est Souma Salé. D'accord. Euh, répétez, pardon, j'ai pas entendu. C'est Souma Salé depuis avait eu. Souma Salé Haruna depuis on ne va pas revenir sur donc le rôle que joue la radio dans votre vie. On l'a un peu entendu tout à l'heure avec les autres auditeurs. Si vous appelez, c'est certainement parce que la radio joue ce rôle. Et dites-nous à votre niveau quels euh, quelles sont peut-être euh, les, difficultés ou les manquements que vous observez dans la réalisation de ces programmes. si vous trouvez que ces programmes au niveau de ces radios sont, bien pour vous. D'accord, merci beaucoup. Merci vraiment. Je remercie d'abord la radio Kalangu pour vraiment avoir Le studio Kalangou les studios Kalangu, pardon. Voilà, en fait, euh, moi, je vais revenir sur d'abord, comme je vais revenir sur les difficultés d'abord. D'accord. C'est tout, nous ici dans les Brousses, nous vivons avec les radios communautaires. Alors, le problème, les, les, animateurs des radios communautaires, c'est des gens qui doivent être formés. On doit les former, on doit, ils doivent comprendre l'éthique et la déontologie d'abord avant de monter même au studio. Vous savez, la parole, dès qu'elle sort euh, au niveau de la radio, ça veut dire que si ce n'est pas réglé, ça va créer des problèmes. Donc il faut que ces animateurs et ces journalistes soient en tout cas formés, qu'ils connaissent ce que c'est la radio d'abord avant d'être même au studio. Et aujourd'hui, avec cet avènement de, l'informatique, ces, animateurs doivent également être formés en ce sens également. Alors Parce que, oui, euh, je vous dis encore une fois de plus, vous savez, dans les brousses là, en pleine brousse aujourd'hui, tout le monde écoute la radio. en tout cas, si vous prenez dans un village, 10 chefs de famille, tous les neuf ont au moins un poste récepteur à la maison, juste pour écouter l'information. Donc la radio, en tout cas, c'est le moyen le plus rapide pour transmettre en tout cas un message et qui touche le maximum de personnes. Alors, est-ce que vous êtes satisfait des programmes de ces radios Je suis vraiment satisfait. Je suis très bien satisfait parce que les messages passent très rapidement au niveau des radios communautaires. Aujourd'hui, dès que tu as, quelque chose à transmettre et que tu mets ça à la radio, le message passe en un rien de temps avec les radios communautaires. Alors, merci, Monsieur Soumeil, euh, d'être intervenu. Je vous signale, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 80 90 38 78 ou au 89 28 25 86. À la scène. Alors, nous revenons toujours donc avec nos invités. Je me tourne vers vous, Monsieur Ali Oumourou, euh, directeur euh, responsable du Centre régional de production et de formation au niveau du CETEF. Je pense bien que vous, avez été aussi un moment au niveau de la radio mer, la radio euh, La Voix du Sahel. Alors, dites-nous concrètement comment est-ce que les programmes des radios peuvent et doivent prendre en compte les préoccupations des auditeurs Bon, euh, je vais juste rectifier un peu. Je n'ai pas été qu'à la voix du Sahel. J'ai été euh, en tant que cadre de l'ORTEM, donc euh, responsable euh, euh, au niveau de l'administration. D'abord au niveau technique, d'abord, puis au niveau de l'administration en tant que secrétaire général qui coiffe donc la radiodiffusion et la télévision. Merci. <coughs> Donc euh, cette mise au point faite, en fait, euh, vous savez, euh, toutes les radios, qu'elles soient des radios communautaires, qu'elles soient des radios privées, qu'elles soient des radios commerciales ou des radios de service public, ont quand même une ligne éditoriale, et une certaine responsabilité, une mission. Euh, au niveau de l'ORTEN à l'époque, euh, en tant que secrétaire général, ce qui importait pour moi, effectivement, c'était donc la conduite donc de ces émissions qui rentrent dans le cadre donc de cette ligne éditoriale. Et vous savez qu'en tant que radio de service public, l'ORTEN, la Voix du Sahel en particulier, en tant que radio de service public, a des missions qui sont assez lourdes. Donc ces missions euh, de, de, de service public qui comprennent donc tout ce que l'État euh, du Niger devrait donc euh, principalement observer pour les citoyens. C'était cette radio-là donc qui avait donc la mission de conduire un peu dans ces programmes, ces missions-là. Donc c'était assez lourd, assez complexe, n'est-ce pas et puis euh, donc voilà, il fallait aussi euh, chaque fois donc une certaine mise au point donc de ces programmes là. Chaque année, il y avait donc un comité qui était mis en place donc pour l'élaboration donc de ces programmes là. Euh, en fonction donc de cette mission de service public que, que, que l'État assigne donc à cette radio et qui n'est pas seulement une seule radio euh, comme vous savez, la Voix du Sahel est composite. La Voix du Sahel, il y a la radio mère, il y a aussi donc les stations régionales, voilà, qui sont euh, attachées à cette radio-là. Donc en fait, c'était une mission vraiment assez lourde. de Merci. Monsieur euh, Zadabawa, vous êtes directeur de la radio euh, d'Alol, euh, promoteur. de la radio d'Alol. Je m'en vais juste vous poser la question de savoir, on avait parlé, évoqué les cas des émissions interactives, mhm. vous avez l'habitude d'organiser. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de ces genres d'émissions qui sont d'ailleurs le plus souvent prisées par les auditeurs vous savez, les émissions interactives au niveau d'une radio, c'est pratiquement les émissions les plus faciles à réaliser. Vous n'avez qu'à disposer d'abord de, votre studio et d'un combiné téléphonique pour recevoir les appels. La seule difficulté, c'est lorsque euh, la technique du, combiné, du téléphone ne fonctionne pas bien. Parce que souvent, il y en a, qui appellent. Au moment où vous prenez, euh, le signal est coupé. Donc ça, c'est peut-être un, problème de réseau. Mais sinon, au niveau de l'élaboration des émissions, ce sont les émissions les plus faciles à réaliser. Alors, en termes de contenu, quels sont les risques de ce genre d'émission bon, Les risques, c'est que vous ne contrôlez pas ce que la personne qui appelle au téléphone va dire. Parce que dès qu'elle parle, la radio, c'est un passe-tout. Ce qui sort de la bouche est automatiquement entendu par l'oreille. Et on ne peut plus rattraper ce qui a été dit l'animateur ne peut que s'excuser et ou bien essayer de contrôler ce que l'autre dit et à la limite le couper si ça ne passe pas. Merci. Nous allons nous tourner vers euh, M. Hassan Boukar, qui est directeur de, la duo alternative. M. Hassan Boukar, alors nous avons écouté euh, quelques auditeurs participer. Nous avons vu aussi que, euh, comme entre autres émissions, l'émission interactive, au niveau de, la radio alternative, est-ce qu'on peut savoir le genre d'émission qui est servie et qui, euh, qui prend euh, le plus, en tout cas, le, le, plus complet possible les préoccupations des auditeurs Merci beaucoup. Euh, je pense qu'au niveau de la radio alternative, pendant des années, nous avons les émissions interactives étaient quand faisaient partie des émissions les plus importantes au niveau de notre antenne et ça permet de créer un lien privilégié avec les auditeurs qui ont la possibilité d'intervenir euh, justement euh, sur, nos antennes. Alors, ces, sujets sont choisis aussi selon ce que nous estimons être un centre d'intérêt pour nos auditeurs. Euh, nous, nous adressons en particulier aux jeunes et là, nous posons les questions qui concernent les jeunes. Ça peut être des questions de santé, ça peut être des questions d'éducation. Vu sous l'angle des jeunes, Et c'est sur ces questions-là que nous organisons des émissions interactives. Euh, nous les faisons, nous pensons que ça intéresse les jeunes parce que nous avons aussi des mécanismes qui permettent euh, de demander aux jeunes un peu ce qu'ils aimeraient entendre sur nos antennes. Euh, par exemple, nous choisissons la journée du 29 juillet, qui est la journée anniversaire de la radio alternative. À cette occasion, nous demandons aux jeunes un peu de se prononcer sur le programme que nous diffusons, sur les choses qu'ils auraient bien voulu voir sur nos antennes. Et donc, du coup, ça nous donne une idée des choses qu'ils auraient bien voulu écouter sur nos antennes. Alors, les émissions interactives sont organisées autour de ces thématiques et c'est vraiment un moment privilégié pour nous en tant que médias, de, un moment privilégié de rencontrer nos auditeurs, de faire en sorte qu'ils ne soient pas des simples consommateurs de ce que nous diffusons, qu'ils soient aussi des acteurs qui puissent venir partager leur point de vue si nous tenons. Nous allons observer plutôt une courte pause, euh, le temps de poursuivre cette émission avec les auteurs qui attendent euh, nombreux. Nous avons donc un autre auditeur en ligne. Bonsoir à monsieur. Bonsoir, monsieur Ismaël. Eh, bonsoir, madame, vous allez bien Alors, monsieur Ismaël, vous nous appelez de Birni, Ga... Je vais bien, voilà. Et vous <laughs> D'accord. Vous nous appelez donc de Birni Gaouré, c'est ça Vous nous appelez d'où, monsieur Ismaël Bonsoir, madame. Oui, monsieur Ismaël, est-ce que vous nous entendez Oui, je vous entends bien. D'accord. Donc, vous nous appelez d'où J'appelle de Birning de c'est ça. Donc euh, voilà, nous allons revenir sur les types euh, de, programmes que vous voudriez avoir euh, ou vous écouter sur les différentes stations que vous avez. Vous les aimez bien ou est-ce que vous trouvez que ces programmes ne sont pas à la hauteur de vos attentes oui, bon, j'ai dit que par rapport à toutes les émissions que nous attendons, surtout eh, à la radio mère. Donc, euh, comment, alors, alors, alors, monsieur, allez-y, allez-y, allez-y. Donc, je dis vraiment, je dirais d'abord que la radio, c'est un moyen le plus fiable parce que est plus proche des citoyens. Des citoyens. Est-ce que vous voyez On, entend très bien, on voit, on comprend ce que vous voulez dire. Voilà, donc euh, j'ai dit que c'est permet aussi de sensibiliser et vraiment d'informer surtout par rapport à l'éducation et à la santé des pauvres, des pauvres citoyens qui sont ici dans le Niger. Vous voyez est-ce que, souvent vous allez euh, euh, au niveau des différentes radios ou bien à une radio pour rencontrer les animateurs, les journalistes ou les dire ce que vous pensez des programmes euh, que vous constatez Non, vraiment, bon, la plupart des émissions que j'écoute, c'est généralement l'opinion plurielle. Et vraiment, c'est des animateurs qui sont vraiment posés et qui sont ouverts envers tous les, auditeurs qui appellent. Et ça nous permet vraiment, ils nous permettent plutôt de nous exprimer et de dire les situations par laquelle, sur lesquelles nous sommes en train de, vivre. Alors donc, vous avez eu l'occasion de, rencontrer certains d'entre eux Oui, bon, n'ai pas l'habitude de les rencontrer, de les rencontrer, mais quand même, j'ai l'habitude de m'exprimer à travers les ondes. Oui. Et C'est à cette occasion que vous leur dites que vous trouvez formidable ce qu'ils font Vraiment, c'est trop, formidable. je profite même pour saluer les grands-pères de Kouzaki et Habibon. D'accord. Et Je crois que j'espère qu'ils sont à l'écoute et qu'ils ont entendu. Ah, euh, merci, merci infiniment. Au revoir. Euh, et donc, on continue avec Alassane. Voilà, euh, retour donc au studio avec euh, nos invités. Je me tourne vers vous, Monsieur Zadabawa, toujours avec vous. Alors, on sait qu'au Niger, il y a une multitude de, radios. Quel impact euh, toute cette multitude de radios peut avoir sur le public Vous savez, lorsque vous créez d'abord une radio, le premier jour où vous allez commencer à diffuser, vous allez déjà avoir un nombre de clubs d'écoute qui vont se créer automatiquement des clubs d'écoute, des fada qui sont liés à la radio. Donc je pense que dans chaque localité où il y a une radio, ça va, c'est comme à, au niveau de Dalol FM, des clubs d'écoute se créent. Et c'est ces clubs d'écoute-là qui sont pratiquement les premiers partenaires de la radio. Et c'est à travers ces clubs d'écoute que vous pouvez avoir le feedback de ce que la radio fait pour les auditeurs donc euh, je, pour, me, pour répondre un peu à votre question, c'est que la radio a une importance capitale. Alors, M. Zada, c'est quoi un club d'écoute Un club d'écoute, c'est des jeunes ou des, des moins jeunes qui écoutent la radio dans un quartier, ils se fédèrent, ils créent une sorte d'association. Et ils disent que, ils donnent un nom à, ce, à cette association que nous, que nous appelons Club d'écoute. Et ils viennent, ils se présentent, ils envoient quelqu'un, s'ils sont sont loin de la radio, ils délèguent quelqu'un pour venir au niveau de la radio pour dire nous avons créé tel club qui s'appelle, qui donne, et ils donnent le nom du club. Et nous sommes dans telle localité. Nous, vous écoutons et nous avons besoin de votre appui pour sensibiliser également euh, les autres euh, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des radios. Bon, même si aujourd'hui, il faut dire que le poste radio est devenu euh, comme des petits pains ou bien la boule que tout le monde boit au, village. Quoi. Alors justement, par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai une question pour euh, euh Monsieur Hassan Bokar. Hassan Et donc, euh, on, constate aussi qu'il y a beaucoup d'émissions de musique sur les différentes radios, énormément. Donc, euh, et, ça, est-ce que c'est souvent on entend des animateurs qui accompagnent, euh, je veux dire, ces émissions de musique, qui on fait passer plein de musiques, souvent des musiques qui ne sont pas, excusez-moi du terme, hein, des musiques qui, en tout cas, véhiculent des valeurs. Et que pensez-vous de, de ce type de programme Cela aussi prend en compte la préoccupation de nos auditeurs. Oui, encore une fois, euh, si je, juger à partir du cas de la radio alternative, nous, on s'adresse aux jeunes. Alors, quand vous dites musique, les jeunes sont quand même, ils font partie des grands consommateurs de la, musique. Ils sont particulièrement intéressés par cette musique-là. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment un canal qui permet de faire passer un message. Euh, lorsque vous dites, il y a des gens qui commentent, qui sont au studio, vous parlez de l'animateur. Euh, il profite aussi pour passer le message qui est souvent le message de la radio, qui est un message en direction des jeunes, un message qui concerne des questions de développement et des questions qui concernent les jeunes. Il y a donc euh, le message qui est contenu dans la musique, mais il y a aussi le message que nous essayons de passer pendant que cette musique. Est-ce que vous pensez que les auditeurs font la part des choses oui, je crois bien, ils font la part des choses. Ils connaissent, ils connaissent très bien euh, la musique. Hein. Quelquefois, la musique est diffusée à leur demande dans certaines émissions, donc ils connaissent bien le contenu de ces musiques. En même temps, ils ont l'occasion d'écouter des animateurs qui commandent, qui leur diffusent des informations. Donc, pour moi, cette musique, c'est vraiment, euh, lorsque vous avez un public jeune qui est très intéressé, je pense que c'est vraiment un canal privilégié pour faire passer des messages. Allez-y, M. Hassan, M. Zadebawa, rapidement. Lorsque vous, vous diffusez de la musique, ou ceux qui appellent, c'est ceux qui sont intéressés par cette musique. Ça veut dire qu'il y a déjà une sélection d'auditeurs qui est faite en fonction du programme que vous diffusez. Et tout cela est fait pour répondre justement aux besoins de l'auditeur. de toute la gamme des auditeurs. Alors, euh, monsieur, je me tourne vers vous, monsieur Ali Omoro du, du CIRTEF. On avait vu avec euh, nos, deux, invités euh, que souvent, il y a le feedback qui est là avec les centres, les, clubs d'écoute qui envoient un représentant pour véhiculer, pour apporter leur message de remerciement, de, de félicitations et puis demander à ce que certains programmes soient revus. Est-ce que vous pensez que le feedback entre la radio et ses auditeurs est, important. Ah oui, bien sûr. Bon, il y a aussi euh, euh, la différence qu'il faut faire euh, entre les différentes radios, parce qu'il y a des radios de proximité comme les radios communautaires, n'est-ce pas, qui sont là pour la communauté et donc qui ne font que répondre aux besoins de cette communauté-là. Il y a les radios rurales, il y a les radios commerciales, les radios privées, bref, euh, en fonction de différents types de radios, il y a différents types de programmes. Mais dans tous les cas, euh, ce qui est important pour une radio, c'est d'avoir donc euh, un feedback des auditeurs. vous savez, la radio mère, comme on dit, la voix du Sahel, à l'époque, en tout cas, je, parle sous le contrôle des auditeurs et des responsables actuellement de cette radio je parle sous leur contrôle, c'est que à l'époque il y a eu donc des programmes euh, en fonction des segments d'auditeurs. Euh, il y a les segments jeunes, les segments moins jeunes, les segments femmes, les segments vieux. moins vieux, bon, pour, une, <laughs> âgé, Voilà, exactement. Donc, ces programmes sont conçus en fonction de cette segmentation du public, de l'auditoire. Mais aujourd'hui, on sait que le public n'est plus segmenté, le, public est fragmenté. Donc on ne sait plus exactement euh, fragmenté parce que tout simplement vous trouvez euh, par, exemple des jeunes qui aiment par exemple entendre des programmes de vieux, des, vieux qui aiment entendre des programmes de jeunes. Bref, aujourd'hui on ne fait plus la part entre ces différents segments-là et ce qui fait que aujourd'hui on a la possibilité d'avoir un feedback qui vient un peu de tout et je pense que c'est vraiment euh, une richesse pour une

de 47 minutes, euh, le forum du studio Kalangu se poursuit et c'est sur la thématique euh, la journée mondiale de la radio, le thème principal, la radio, c'est vous. Donc vous pouvez toujours nous appeler pour donner votre point de retour donc au studio. Alors, je m'en vais vous poser la question, monsieur Hassan Boukara de la radio alternative. Aujourd'hui, on va euh, avec l'explosion de la télé. Est-ce que la radio, face à la, à, la télévision, ne ne perd pas euh, un peu euh, cette euh, frange Sa notoriété La radio gagne toujours. <laughs> Pour moi, elle gagne toujours la radio. Je pense que ceux qui suivent la radio, ils savent aussi ce qu'ils attendent d'une radio, ils savent ce qu'ils attendent d'une télévision. Je pense que le, public s'est aussi choisi selon les moments, le type de médias qui lui donne satisfaction. Mais encore une fois, quand on regarde de façon globale l'environnement médiatique au Niger, la radio reste quand même un média dominant. Euh, on parlait il y a un instant des radios communautaires. Je pense qu'on compte euh, pas moins de 100 radios communautaires dans ce pays. Ça montre quelque part que la radio a une couverture quand même euh, suffisamment large, suffisamment dense dans ce pays. Il y a toujours la télévision euh, en, tant que média dominant, entre guillemets. C'est un peu comme ça que c'est construit quelquefois. Mais je pense que ceux qui écoutent les radios savent aussi aller chercher au niveau des, chaînes de télé des types d'informations, des types de programmes dont ils ont besoin. Et donc, je pense que de plus en plus, le public combine ces types de médias et chaque média selon sa spécificité. Donc chacun sait en fonction de ce qu'il veut aller le chercher. Alors, est-ce que vous pensez que l'accessibilité euh, de, la radio fait d'elle euh, une priorité pour certains auteurs, les mondes nantis, qui ne peuvent pas s'offrir euh, un poste téléviseur C'est un atout important. Lorsque vous vous déplacez dans ce pays, notamment quand vous partez dans les zones rurales, vous voyez bien l'engouement qu'il y a autour des, des stations de radio, autour des sièges de la radio. Vous avez souvent du monde, des jeunes, des personnes qui viennent pour des raisons diverses ça montre quelque part qu'il y a encore de l'engouement autour de la radio, euh, malgré l'arrivée de la télévision, mais pas seulement de la télé, mais de ce qu'on appelle de plus en plus les technologies de l'information, de la communication, les réseaux sociaux. Malgré tout, la radio quand même garde un rôle euh, très important dans notre pays en tant qu'outil de développement. Et je pense que ce n'est pas euh, dans quelques jours que la télé va renvoyer la radio. Je pense que la radio, est toujours gagnante. Elle a encore des années devant elle. elle. a encore beaucoup d'années devant elle. Merci. Nous allons prendre un auteur. Je pense Mariama a un auteur en ligne. Allô Allô Allô Bonsoir, monsieur Tayrou Soumana. Oui, bonsoir à vous. Vous nous appelez de Tilaberi, n'est-ce pas j'appelle depuis la Alors, vous êtes à l'écoute de cette émission. Vous avez entendu tout ce, que, tout ce qui se dit autour de euh, cette table. Euh, je dirais bonne journée internationale donc à tous les médias. Merci, c'est gentil. C'est pour dire ici toute l'importance donc de la radio, l'importance de la radio qui est capitale. Mhm. Imaginez un peu une journée sans radio. Alors, comment le monde sera ah, Je vous retourne la question. À partir de là, nous pouvons juger donc l'importance de, de la radio. Voilà. de la radio, la radio nous sensibilise. La radio nous éduque. Nous avons des distractions. La radio nous cultive. Et tout cela, c'est pour participer, bien sûr, aux actions de développement. Alors, je, pense que sens. Les actions. Allô Oui, allez-y. Et je pense que les actions de développement sont propulsées par les médias. C'est pourquoi, bien sûr, moi j'ai dit qu'il faudrait continuer à encourager la radio, les actions de développement et, le renforcement de l'unité nationale, j'allais dire la vie, la de la nation. Tout ceci, bien sûr, nous le trouvons au niveau de la radio. Et je pense que nous trouvons un plus à partir de sensibilisation, de culture, etc. Monsieur Soumana, est-ce qu'il y a des émissions que vous n'aimez pas Vous n'aimez pas, Monsieur Soumana Est-ce qu'il y a des émissions que vous n'aimez pas du tout à la radio eh, eh, est-ce qu'il y a des émissions que vous n'aimez pas quand vous écoutez la radio Y a-t-il Est-ce que vous êtes arrivé de ne pas apprécier une émission Allô n'ai pas assez de retour. D'accord. Je voudrais tout simplement signaler ici l'importance de la radio. D'accord. C'est tout. Euh, merci beaucoup, Monsieur Tahirou, qui nous appelle. à la radio. Et Allô Le programme, moi je pense que chacun trouve son compte. Oui, allô Oui, allô, Monsieur Soumana, on a bien entendu ce que vous nous dites. Merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir. Et donc, à la scène, nous poursuivons cette émission. Oh, oui, je m'en vais euh, poser la question euh, cruciale à M. Zadabawa, le directeur de la radio euh, de la radio d'Alol. Alors, quel est l'avenir de la radio face à la télé, face à l'Internet, aux réseaux sociaux. Moi, je dis que l'avenir de, la radio, il est encore euh, dans des beaux jours. Quoi. Il n'y a, a même pas à comparer entre la radio et la télévision, selon moi. Dans la mesure où, euh, même si vous regardez la, télé, la plupart des gens qui sont nantis ont un poste radio à côté. Ou bien quand ils euh, suivent un programme, ils se lèvent ils écoutent la télé sous forme de radio. Donc la radio n'a pas à être comparée à la télévision. Même pour les jeunes qui sont aujourd'hui attirés par les réseaux sociaux ou toutes sortes d'informations véhiculées. Vous allez votre téléphone portable, vous allez écouter la radio là-dessus. Vous allez dans vos toilettes, vous partez avec votre poste radio. Vous partez, vous êtes dans votre voiture, vous avez votre poste radio. Et même si certaines voitures sont équipées de télévision, moi je dis, c'est sous forme de radio qu'ils écoutent le programme de la télévision. Donc, il n'y a, vraiment pas à comparer les deux. Merci, euh, merci, M. Zada Bawa. Ali Omarou du CERTEF. Alors, euh, l'avenir de la radio, comment vous l'entrevoyez Bon, euh, c'est comme ils l'ont dit, hein, mes deux collègues qui sont là. En fait, la télévision, l'avènement de la télévision n'a pas fait disparaître la radiodiffusion, au contraire. Et je pense que quelles que soient les technologies qui vont donc euh, euh, se présenter demain, la radio aura sa part aussi d'existence, quoi. Et d'ailleurs, vous savez que actuellement, on est en train de dire qu'il y aura allez-y, il y aura donc une. Euh, Alors, monsieur, Ali, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Nous avons donc un auditeur en ligne que nous allons prendre. Allô Allô Oui. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous. Moi, c'est Ibrahim Moussa, euh, alias Papa Marico, euh, j'appelle depuis Agadez. D'accord, Monsieur Moussa. Et donc, euh, dites-nous, qu'est-ce que vous aimez comme programme dans les différentes radios En tout cas, moi, je me retrouve dedans, comme toute la population d'Agadez. Parce que quand vous imaginez que vous regardez les années précédentes, 10 ans, il n'y a pas tellement de radios privées ou des radios communautaires. Et aujourd'hui, grâce à l'existence des radios et surtout genre des émissions de la de Studio Kalangu, aujourd'hui vraiment tout le monde se retrouve et je peux dire que c'est devenir maintenant la voix des sans voix. Donc tout le monde vraiment a, a, a le courage ou bien a, la, a une opportunité vraiment de dire ce que bon lui semble et d'intervenir au développement euh, de la nation à travers euh, les médias. Merci infiniment au passage. Nous revenons, nous continuons avec Alessandre. Oui, donc euh, Michel Ali euh, désolé de vous avoir interrompu pour donner la parole au patron. Le patron, c'est l'auditeur. Euh, donc là, euh, je, vous demande de continuer votre raisonnement. Nous étions donc par rapport à l'avenir de, la radio face, notamment aujourd'hui aux, réseaux sociaux. Voilà, je disais que la radio aura toujours sa part d'existence. Il y aura certainement des mutations qui vont donc s'opérer, notamment les mutations technologiques. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de tendre vers la télévision numérique terrestre, la TNT. Mm. On va tendre aussi vers la RNT, la radio numérique terrestre, donc qui va abandonner euh, les fréquences terrestres, notamment euh, la bande 2 qui est comprise entre 88 mégas et 108 mégas. Et ça sera donc euh, une radio qu'on peut capter par satellite un peu partout. Et vous savez déjà qu'aujourd'hui, les téléphones mobiles euh, permettent donc la 3G, la 3G plus et la 4G permettent donc euh, d'avoir donc la radio sur son portable et par conséquent les plateformes se sont diversifiées pour permettre à l'auditeur donc de continuer à recevoir la, la, radio. La radio va toujours exister parce que il y a des inconditionnels de la radio d'abord. En plus de cela, la radio coûte moins cher que la télévision. Alors, alors merci, merci. Nous allons euh, demander à Hassan Boukara de la radio alternative euh, en 30 secondes <laughs> rapidement de, de, ce que vous avez ajouté par rapport à l'avenir à l'avenir de la radio et par rapport à ce que vient d'évoquer donc Ali Omorou du CERTEF. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que la radio a encore de beaux jours dans des pays comme le nôtre. Le changement euh, technologique qui arrive peut, euh, dans certains cas, améliorer. Tout de suite, on parlait du cas du téléphone portable. Vous avez, euh, au lieu d'avoir la grosse radio que vous traînez un peu comme mes un peu, désormais, vous avez la radio en poche et puis vous pouvez écouter facilement. Le, Et donc, je pense que l'évolution technologique peut permettre aussi une meilleure écoute peut permettre à la radio d'aller de l'avant sans nécessairement faire euh, obstacle au fonctionnement de la radio. Alors j'ai envie de poser une dernière question à laquelle on répond rapidement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en termes de contenu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que la radio, on doit faire pour que ça réponde toujours aux besoins du... Monsieur Zadaba, vous avez 30 secondes. 30 moi, je dirais qu'il faut d'abord écouter les auditeurs parce que c'est eux qui vous écoutent une grille de programme crédible ne peut être euh, créée qu'à travers l'écoute et les apports des auditeurs. Merci. Ali Omarou. Oui, tout est dit. Hein. C'est l'auditeur qui est le patron et c'est l'auditeur donc qui indique euh, son désirata en, fonction donc des différents programmes euh, qui, qui lui sont servis. Voilà. Fidèles auditeurs, euh, nous n'allons pas nous séparer sans vous souhaiter une bonne fête euh, de la radio à tous. Merci de rester fidèles au programme du studio Kalangou. J'étais en compagnie, je vous le signale, de monsieur Ali euh, Oumarou, le responsable du CIRTEF. Centre régional de reproduction du, Merci Alassane. Également en compagnie de monsieur Zada Bawa, directeur promoteur de la radio d'Alol, et enfin de M. Hassan Boukar, directeur de la radio alternative. Merci fidèles auditeurs, au revoir, on se donne rendez-vous à demain.